le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont la publication du chronogramme des élections par la CENI, ensuite la session extraordinaire de la CDAO pour une sortie de crise au Mali. Nous parlerons aussi de la libération ce mardi de la journaliste blogueuse Samira Sabo et enfin du sport avec le soutien financier des fédérations sportives pour faire face à l'impact de la COVID-19. Pour analyser ces informations, nous, avons, nous sommes donc euh, dans ce studio avec Maimouna Diado, journaliste freelance. Bonsoir Maimouna, et merci d'être avec nous. Monsieur Garé Amadou, journaliste à La Nation. Monsieur Garé, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste freelance. Bonsoir Issa Madougou. Bonsoir euh, Fatih. À la présentation, Fatih Zakari. Le président de la Commission nationale indépendante CENI a présenté le samedi 25 juillet 2020 à la presse le calendrier électoral réajusté fixant les élections locales au 13 décembre 2020, le premier tour de la présidentielle couplée aux législatives le 27 décembre 2020 et le deuxième tour présidentiel le 21 février 2021. La demande de l'APR et des non-affiliés a été prise en compte par la CENI s'agissant des élections locales Qu'en pensez-vous Je commence avec euh, M. Garé. Oui, je pense que euh, quand même, euh, la CENI a, a, quand même donné un chronogramme qui répond pratiquement aux attentes de l'ensemble de la classe politique. Parce qu'on sait que l'organisation des élections locales avant tout scrutin était non seulement une exigence de l'APR, mais aussi certains partis de la MRN, mais également de l'opposition politique. Mhm. Donc, moi, je considère que ce chronogramme délivré par la CENI doit quand même permettre de ramener, en tout cas, la sérénité au sein de la classe politique. Mais on a constaté que c'est pas ça qui s'est passé parce que l'opposition continue toujours à, réclamer pratiquement l'écroulement de la République pour <laughs> pouvoir, euh, parce que c'est ça, ça qu'il s'agit. C'est quand on demande la, la, dissolution de la Cour constitutionnelle, la, dissolution de la CENI, etc., euh, etc. Bon, ça dit, on veut qu'on recommence à zéro alors que lui, le président de la République, il tient à respecter son délai constitutionnel. À la date indiquée, il va quitter le pouvoir et transmettre le pouvoir à une autre. Donc, je pense que ce que la CENI a fait, c'est un exercice extrêmement important parce que le président de la CENI a montrer à travers ce point de presse mhm. la détermination de son institution à conduire à bon terme le processus électoral, n'est-ce pas mhm. Il n'a pas nié qu'il y aura des embûches, mais c'est vraiment ce qui ressort de ce point de presse, c'est sa détermination. C'est-à-dire, il a mis en exergue son expérience déjà de quelqu'un qui avait présidé une CENI pour rassurer les gens qu'il va euh, conduire à bon port cette mission-là et il va euh, permettre vraiment aux Nigériens d'accomplir leurs droits de citoyens. Mm. Monsieur Madougou Ce réajustement de, de calendrier est une bonne chose puisque de toutes les façons, c'était le report des élections locales qui semblait un peu constituer le problème entre les acteurs politiques. Mhm. Mais maintenant, quand on a ramené les élections locales bien avant les législatives couplées au premier tour de la présidentielle, moi, je pense que c'est une bonne chose dans un premier temps. Mais moi, à mon avis, il y a encore des choses que la CENI peut faire. Mhm. Puisque ces élections locales permettent non seulement de juger un peu euh, la scène politique, le poids de tous les acteurs et ça permet également de garantir la transparence et la crédibilité de la suite du processus. J'aurais bien pensé que la CENI, parce que oh, techniquement aujourd'hui, tel que moi je vois la composition et le président de la CENI, ils peuvent le faire parce que ce ne sont pas des novices en matière électorale. C'est des gens qui connaissent c'est quoi l'appareil électoral. Ils ont, pu, ils ont eu à le faire au Niger et à l'extérieur. Ils ont été sollicités par des organisations internationales. Donc, ils ont l'expérience. L'élection locale aujourd'hui, même si ça va se dérouler, euh, les élections locales le 13, est-ce que d'ici avant le 27 décembre, on aura les résultats Ça, c'est aussi une interrogation. Mm-hmm. Parce que ça permettra aujourd'hui de voir clair qui est qui est sur euh, l'arène politique. Et ça permettra aujourd'hui de pallier un problème, le fait qu'on puisse garantir la, euh, la, transparence. Puisque ceux qui ont gagné ne permettront jamais que des élections soient bâclées dans leur région au niveau des uh-huh. locales. Donc ça permettra, ça va même alléger, aider même la CENI à jouer ce rôle de transparence. Moi, je pense que c'est déjà bon pour l'instant, mais comme les acteurs politiques, ils savent, ils ont commencé de toutes les façons aujourd'hui. Moi, je pense que la machine est déjà en marche. Hein. Uh-huh. Euh, je ne sais pas si l'opposition va revenir à... parce que on sent dans les revendications de l'opposition tu ne peux pas euh, revendiquer sans pour autant créer le rapport de force. Quels sont aujourd'hui les moyens de, pour, euh, l'opposition de faire aboutir ces revendications Certes, là, vous croisez les mains, on dirait que vous voulez, vous avez, comment on appelle, vous implorez quoi Non. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je pense que tout ce qui intéresse le Niger, c'est que ce processus puisse se dérouler dans le calme et la mm-hmm. sérénité. Il faut que c'est ça que les Nigériens ont besoin. Aujourd'hui, le débat, ce n'est plus quoi. Euh, il faut qu'on retourne en arrière. Mais à la l'allure des choses, je vois que aujourd'hui, moi, selon mon analyse, c'est que c'est le délai constitutionnel que l'opposition veut pousser le pouvoir à, aller, voilà, mhm. Mhm. à ne pas respecter le délai constitutionnel. Maintenant, de, ce côté, le pouvoir aussi a compris. Ils, sont revenus aujourd'hui. Ils sont le fait qu'on revient. Mais moi, je pense qu'on peut même aujourd'hui avancer la date le 13. On peut le faire le 1er décembre, pourquoi pas On aura 27 jours avant la présidentielle, le premier, premier, tour et puis couple législative. Comme ça, on aura les élections. C'est, on a pu vraiment remplir une mission et puis on continue avec les autres missions. Je pense que c'est bon pour l'instant, mais quand même, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, euh, ce scrutin, ça va se tenir dans un contexte un peu très difficile mhm. parce que nous sommes dans une période de, de Covid-19 aujourd'hui. Quoi qu'on dise, hein, la Covid-19 va impacter aujourd'hui le, cours normal de ces élections. Mais Nagyadou, est-ce que vous avez donc euh, quelque chose à ajouter par rapport à, donc, à ce que vient de dire M. Garé et Issa Bon, la chose que j'ai ajoutée, en fait, c'est vrai, c'est bien. En tout cas, euh, pour euh, le réajustement du calendrier donc euh, des élections par la CENI. Mhm. Mais ce qu'il faut également déplorer, c'est est-ce que deux semaines peuvent suffire entre le 13 pour les élections locales et, le, 21. ou le 21 pour le, premier tour des élections, le, 27, pour le, premier tour des élections mhm. présidentielles et couplées ou législatives deux semaines deux carrément, mhm. quand on regarde. Donc, est-ce que techniquement, est-ce que la CENI, elle est prête techniquement pour ça. Oui, oui, pourquoi je dis techniquement mm-hmm. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des réclamations. Il faut pas, effectivement, c'est ça. ne faut pas mettre ces réclamations de côté. Comment est-ce que ça va se faire aujourd'hui Parce que nous sommes déjà dans un État, par exemple, dans un pays où il y a déjà l'insécurité, on le sait, et personne ne va laisser, en tout cas, là où, je prends par exemple le PNDS il ne va pas se laisser. De l'autre côté, là où il sait que son fief, c'est son fief, et que son fief doit remporter de toutes les mille manières ces élections, et qu'on se, euh, on se confronte aujourd'hui, on pense que ces électeurs vont sortir, ces électeurs ne sont pas tout à fait euh, sorti pour aller voter, il y a des réclamations, il y a tout ceci. Mais de toutes les mêmes manières, mhm. c'est la CENI qui décide. Mhm. La CENI a fait son chronogramme. Les autres ont accepté parce qu'il n'y a pas eu de contestation. Ils ont accepté pour que les élections locales se fassent le 13. Donc, essayons de voir. Maintenant, on laisse seulement euh, <laughs> la oui, gérer. Mais, oui, mais est-ce que donc euh, vous pensez que ce chronogramme sera respecté quand on sait que jusque-là, donc la diaspora oh. n'a pas été. On ne peut pas dire que ce chronogramme sera respecté ou ne sera pas respecté. Jusqu'à la veille, en tout cas, de ces élections, on peut toutefois changer de chronogramme. La CENI peut changer de chronogramme. Quand la CENI sait que vraiment euh, la diaspora jusqu'à présent n'a pas été mhm. encore enrôlée, peut-être des, petites choses peuvent venir. On, ça peut surprendre, hein, ça peut mhm. surprendre. Donc ça, c'est la CENI qui détient tout. Et je pense que c'est à la CENI maintenant de, voir si la CENI a pensé que le 13 c'est bon pour tout le monde, mais tant mieux, on attend le 13 et si c'est le cas, on peut réajuster encore. Mhm. Techniquement, pour voilà, ah moi, c'est ce que je pense. Soyons réalistes. Mhm. Aujourd'hui, tout le monde sait que le cours normal de la vie dans le monde a été perturbé par cette pandémie. Aujourd'hui, mhm. quel est ce pays qui va permettre aux, aux nigériens d'aller recenser Parce que seulement que les Nigériens veulent aller recenser euh, les Nigériens qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, il faut être réaliste. Et la CENI, peut, on peut réorganiser. C'est quoi aujourd'hui C'est seulement ce qui tient à cœur les gens, c'est au niveau des législatives. Mm-hmm. On peut faire des élections euh, anticipées par après. On peut le faire bien avant. Mais aujourd'hui, tout le monde veut tirer sur nous. Les Nigériens à l'extérieur n'ont pas été recensés. Les Nigériens à l'extérieur n'ont pas été recensés. Donc, ce, ce, scrutin ne sera pas crédible. Aujourd'hui, tout le monde connaît la réalité. Alors, ceux qui disent que les Nigériens n'ont pas été recensés, que c'est une faute grave, qui donne aujourd'hui la solution, qui, dont tout le monde ignore, qui peut résoudre le problème. Parce que c'est ça. soit réaliste, aujourd'hui, tout le monde sait que cette situation de, la COVID-19 a perturbé l'ordre mondial. Jusque-là, il y a des pays, même en ouvrant leurs frontières, ont commencé à les refermer. Mm-hmm. Parce qu'il y a une résurgence de des cas de, COVID-19 dans leur pays. Donc aujourd'hui, ça c'est un peu difficile et je ne vois pas aujourd'hui les moyens que nous disposons pour aller, même si dans d'autres pays, même si nous partons, par exemple, des pays où, comme le, je prends l'exemple du Togo, quand vous partez, vous allez payer une somme qui va en, qui tourne autour de 400-500 000 francs pour vous prendre en charge. Regardez le nombre d'électeurs qui vont aller. Donc, dans chaque ville, il faut que le Niger prend en charge, la CENI prend en charge, mais c'est du gâchis. Il faut attendre que les choses deviennent normales. On peut bien les bien organiser des élections anticipées. Moi, je pense que ce n'est pas du diable. Il ah, faut qu'on se comprenne, qu'on soit réaliste face à une situation. De toutes les les élections locales ne regardent pas la diaspora aussi. <laughs> Euh, c'est seulement les législatives et les Mais encore que le président de la dans son point de presse, a bien mm. expliqué qu'ils vont prendre en compte le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, mm-hmm. enfin, qui disait que, ça euh, ne pas, euh, ne pas faire les élections au niveau de la diaspora serait pratiquement illégal le président de la CENI a dit comment ils prennent en compte ils vont mettre les bouchées doubles pour que la diaspora puisse accomplir son devoir. Mm-hmm. Comment ça va se faire, mm-hmm. je ne sais pas. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut euh, quand même regretter, c'est que ce calendrier que le, la CENI vient de, mettre en, place, qu'elle vient de présenter, moi je considère que c'est un calendrier qui a été fait au forceps comprenez qu'au début, la CENI disait qu'elle ne peut pas. Donc les partis politiques ont tiré, tiré, tiré. C'est-à-dire que cette date-là, c'est pas parce que ça plaît à la CENI et d'ailleurs, quand. Oui, c'est parce que la CENI a été pratiquement forcée. C'est-à-dire, on a serré, serré, serré. On mm. Et c'est pourquoi le père de la CENI a dit il est c'est clair qu'il y aura des problèmes, mais ils vont tout faire pour que ça se passe bien. Déjà, donc, ce qui veut dire que les partis politiques ont tellement tiré, tellement tiré que maintenant, on est arrivé à un moment où on a fixé des élections locales. et ça a bien fait de le dire, le 13. Mm-hmm. Vous comprenez oui. Deux semaines après, on fait le premier tour de la euh, présidentielle. Mais comment C'est la ça, question que. comment ça, va se passer C'est pourquoi c'est pas bon de. Quand l'institution qui est chargée de faire la chose vous dit mm-hmm. que techniquement, à l'état actuel des choses, c'est impossible de faire ça, ça, ça, faut pas forcer. Là, là, mm-hmm. ce qui va se passer, c'est qu'on mm-hmm. va organiser des élections locales dans des conditions catastrophiques. Il y aura des contestations à tout vent, des réclamations, des réclamations et comme ils l'ont tous dit, rien ne me dit que le calendrier là hmm, sera respecté. c'est ça. Le premier tour de la mhm. présidentielle, le 27 là, mhm. qui sait C'est ça. Si on commence les élections locales. Mais, comme l'a dit Issa, je me réjouis d'une chose. Euh, c'est maintenant on va savoir quels sont ceux qui font du bruit <laughs> et qui, qui ne servent à rien du tout et ceux qui servent à quelque chose, ceux qui ont vraiment des, ceux qui vont compétir. Parce que c'est là qu'on va. Bah on va savoir qu'il y, a, parti politique avec grand P et il y a parti politique avec petit P. Comme je l'ai dit, il y a la première division, il y a la division amateur, <laughs> le football. <laughs> ça, de quoi, je, parle. Donc, <laughs> on va savoir qu'il y a des grandes gueules, mhm. mais le jour des élections, on ne les voit pas. C'est les partis qui disparaissent. Maintenant, ils reviennent une fois quand, il, est question de chercher des postes. C'est eux qui viennent pour faire des déclarations de soutien. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mhm. <laughs> donc, à votre avis, il y aura peut-être un probable report donc, de ces élections Non, euh, c'est-à-dire que, ce que je n'ai pas, pas apprécié, c'est le fait qu'on a forcé la main à la CENI. Pour faire et ça, oui, oui. Et ça, ce n'est jamais bon. Parce que eh, c'est comme le mécanicien à qui vous amenez le véhicule, il vous dit, bon, euh, je peux le réparer en une semaine. Il dit, ah non, non, non, non, moi je dois voyager eh, eh, dans deux jours, il faut que tu me répares ça. Il dit c'est impossible, tu forces, tu forces. Ok, d'accord, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc c'est ce que la CENI a fait. C'est ce que la CENI a fait. <laughs> On lui a forcé la main, elle a, elle a dit à plusieurs reprises que c'est difficile de faire ça au, oui, au Deux semaines entre voilà. Euh, mais, les élections locales et elle a fait un calendrier. mais elle a fait un calendrier pour contenter la classe politique. C'est pour faire plaisir à la classe politique. Et ce sont les mêmes qui vont venir quand la CENI aura des problèmes dans le cadre de ah, l'organisation pour lui tirer dessus. <laughs> Nous abordons le deuxième sujet du forum. Vous n'êtes pas sans savoir que la CDAO a tenu un sommet extraordinaire par visioconférence le, le, lundi 27 juillet en vue de trouver une solution à la crise qui secoue le Mali. En conclusion de ce sommet, les chefs d'État demandent entre autres la démission des 31 députés contestés par l'opposition, la formation d'un gouvernement d'union nationale entre autres. À votre avis, Maimouna, est-ce c'est la solution ah, c'est moi <laughs> je vois, que c'est à peu près ce que l'opposition a demandé en fait, c'est à contester. Mhm. Euh, l'élection au niveau donc de ces 31 députés. Hum. Là, la CDAO a, la CDAO a répondu hum. à l'opposition en disant que ces 31 députés doivent partir. partir. Hum. Ça, au moins, la CDAO a répondu. Deuxièmement, ils ont demandé à ce que euh, la Cour constitutionnelle, je pense bien, soit encore euh, reconstituée. reconstituée. Donc je pense ici mm. aussi que c'est la solution. C'est la solution. Il faut, normalement, en principe, mm-hmm. la Cour constitutionnelle ne devrait pas rester sans être euh, euh, reconstituée. Mm-hmm. Ça, c'est comme ça. Euh, troisièmement, c'est là où ça pose problème, c'est le gouvernement d'union nationale. C'est là où ça pose problème. Parce que l'opposition, est-ce que l'opposition est prête à aller vers un gouvernement d'union nationale L'opposition qui rejette déjà en bloc les conclusions du sommet. Mais c'est mhm. ça, ils rejettent en bloc les conclusions parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce gouvernement d'union mhm. nationale. C'est leur objectif, c'était pas le gouvernement. Mhm. Euh, ils ont rejeté d'abord les pourparlers, même le mini-gouvernement, l'équipe restreinte qui a été mise en place, ils ont rejeté. Quand, vous regardez, quand vous regardez euh, leur agissement, c'est en fait, ce n'est pas pour aller vers un gouvernement d'union nationale. L'opposition n'est pas prête pour aller vers euh, un gouvernement d'union nationale, en fait. Mais peut-être, ici, on demande à ce que la CENI, euh, pas la CENI, mais la société civile, rejoigne également ce gouvernement d'union nationale. Bon, on sait que c'est la société civile qui est en train de faire euh, le tapage. L'opposition ne fait qu'appuyer. Et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les conclusions ne pourront pas plaire à, à, une opposition pour faire sortir le Mali de cette crise. Moi, je pense que les chefs d'État ont bien réfléchi sur cette situation. Je ne vois pas le problème dans tout cela. Je ne vois pas le problème, en tout cas. Non, moi, je pense que la situation, euh, à l'allure où vont les choses, il faut que les chefs d'État euh, des pays membres de la doivent, doivent réfléchir à plusieurs reprises parce que ça commence à même à rendre, à décrédibiliser même la communauté, euh, la structure régionale. Quand vous entendez hier la trentaine de députés dont on a appelé à ce qu'ils démissionnent, qui viennent faire une, conférence de presse, oui. mais, mais c'est extrêmement grave les mots qu'ils ont utilisés à l'encontre des, chefs d'État. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos chefs d'État aussi doivent être mhm. réalistes dans la prise de certaines décisions. Si Ibeka ne fait pas l'unanimité dans son pays, alors qu'on lui propose une transition et puis qu'il part, qu'on organise, qu'on trouve une solution. Mais nous, les pays, les ressortissants de notre autres membres du pays. On ne peut pas comprendre comme ça qu'on nous jette à la figure tous les genres de mots les plus sales du monde parce qu'on a tenté de négocier. Il faut que ça soit clair dans cette affaire. C'est une affaire malienne. Mais c'est normal que nous, les autres les pays limitrophes et les pays membres de la CDAO, nous nous intéressons à la situation du Mali, puisque c'est de nos frères. Mm-hmm. Nous sommes dans une euh, dynamique régionale, mm. commune, avec une vision commune et donc un destin pratiquement commun. Donc c'est normal que les gens s'intéressent. Mais à l'allure où les protagonistes de la crise malienne s'expriment, non, il faut que les gens vraiment soient, ils prennent de la hauteur dans leur agissement et dans leurs propos. Hier, en écoutant les deux sorties médiatiques, la trentaine de députés qui refusent de démissionner et le M5, c'est comme si la CDO ne valait rien. Et pourquoi une institution, telle institution qui a joué son rôle aujourd'hui Parce que vous savez, aujourd'hui, si les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest peuvent se lever la tête et se bomber euh, euh, la poitrine un peu partout sur le continent parce que la CDOA a réussi l'intégration. Mhm. La CDOA a réussi mhm. pendant euh, là à un niveau où toutes les organisations régionales ont échoué. Mhm. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on devait aussi reconnaître ce respect, le minimum. Si ça ne va pas, il y a des moments Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne vaut pas la peine de vilipender. Il y a des voix où vous pouvez leur dire donc nous ne sommes pas d'accord. Même moi, ce que je vois mhm. et ce que j'attends aujourd'hui des chefs d'État et de gouvernement de la CDOA, qu'ils soient clairs sur leur position. On a, dit, on a vu aujourd'hui tout ce qu'ils ont eu à dire. Les Maliens ont rejeté. Mhm. Alors, si IBK ne fait pas l'unanimité qu'on lui propose, c'est vrai, on va leur dire qu'il faut respecter les charges de la, la, la CDAO qu'il faut les respecter, qu'on n'est pas d'accord, parce que moi, je ne sais pas c'est quel euh, document de la CDAO qui est contre la rupture de, mandat avant sa, avant sa fin. Donc, je crois même que c'est ça, sur ça que les chefs d'État euh, de la CDAO sont en train de se, de s'aligner euh, pour faire des propositions. Mais moi, pour moi, je pense qu'il faut réfléchir un peu plus au fond pour éviter le pire. Mm-hmm. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, ça commence à nous gêner quand vous entendez hier, c'est parce que y a, quand un des députés a pris la parole parmi les trentaines, parler en bambara, c'était traduit sur un site. Euh, c'est Ces mots, moi, je ne peux pas les accepter. Parce qu'il faut que les gens respectent les autres ressortissants des autres pays. Si vous, voulez vous attaquer, attaquez-vous à la CDAO, mhm. mais quand même ne fixez pas. C'est-à-dire, il fait croire que tous les présidents qui étaient venus au Mali, voilà, ils, parler d'une manière insolente. il faut que les gens se respectent un peu dans ça. Moi, je pense qu'il revient aussi au chef d'État de la CDAO d'être euh, réaliste. Mhm. Ça, moi, c'est ce que je vois. Si Ibeka ne fait pas l'unanimité dans son pays, qu'on lui propose une sortie, qu'on organise des élections, qu'on lui propose une, euh, une transition, qu'on organise des élections le plus tôt possible, et puis on peut aller pour éviter le pire. Parce que déjà, le Mali est très fragile. À l'heure actuelle, où tout, le tout est concentré au niveau de Bamako, est-ce que aujourd'hui on sait ce qui se passe dans le Nord Mali Vous pensez ceux qui ont déjà demandé l'indépendance, ils sont là à regarder ce qui se passe en attendant ce qui se passe à Bamako et vous pensez qu'aujourd'hui, cette partie non contrôlée par l'armée malienne, de Meneka jusqu'à Anderbuka, qui va jusqu'à la zone des trois frontières, vous pensez que ceux-là qui sont là, ils sont en train de se taire pour regarder ce qui se passe au, à Bamako Non. Aujourd'hui, le Mali est un pays à risque. Donc il faudrait qu'on puisse réfléchir en tenant compte un peu. Et il revient aussi au mouvement du M5. Il ne suffit pas seulement de contester, mais il faut que les gens aient des propositions concrètes. Aujourd'hui, c'est quoi la solution qu'ils proposent au Mali Qui aujourd'hui, même s'ils disent non, nous, on voulait, si Ibeka démissionne aujourd'hui, qui va le remplacer Déjà, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas le nouveau président de l'Assemblée nationale. Constitutionnellement, or, c'est lui qui devrait remplacer le président. Mais les gens même ne sont pas. Parfois, c'est pour cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines formes d'opposition en Afrique. Les gens ne sont pas réalistes. Vous contestez, vous ne proposez pas. C'est ça le problème. On ne sait pas aujourd'hui, hein, Imam Diko. Euh, le, gouvernement d'union nationale. Voilà. Si Imam Diko et les Shogol sont dans la même dynamique, ils sont dans un même mouvement. Mais chacun aussi a ses propres intérêts à défendre. C'est ça le risque. Voilà. Mhm. <laughs> Monsieur Garé. En fait, ce que j'ai dit, euh, en fait, euh, cette, question malienne repose le problème de respect des institutions démocratiquement élues. Vous savez, là où c'est très dangereux, mhm. c'est que euh, ce que Issa dit, je comprends bien. C'est-à-dire que la FCDAO, par exemple, a dans le sens des manifestants. Mais les manifestations de rue, est-ce qu'une manifestation de rue est l'expression du peuple c'est quoi le peuple À partir de quel moment on considère que le peuple s'est exprimé Sur une population de 20 millions d'habitants, mhm. supposons que 1 million sont dans la rue, est-ce que c'est le peuple qui s'est exprimé Non. La démocratie, là, elle a ses règles. Elle dit que le peuple s'exprime à travers ses députés. Et elle dit que le peuple peut s'exprimer par référendum. Mais un régime démocratiquement élu, à qui il reste deux ans, vous pensez que c'est raisonnable que des gens veulent tout simplement que parce qu'il y a des manifestations, ou que le président quitte. Vous savez ce que ça veut dire comme conséquence pour tous les régimes démocratiquement installés dans la sous-région, les pays de la sous Vous savez ce que ça veut dire C'est un signal qu'on donne aux gens. Ça veut dire que, ah non, non, si vous faites des manifestations, vous pouvez renverser un, régime. Hein. Hmm. Oui, oui, parce que la preuve, au oh, Mali, on a accepté. oui. Euh, d'autres pays aussi. Oui, oui, on a accepté. Et la CDA ne pourra jamais dire à quelqu'un ah, en tout cas à, des, opposants que non, les manifestations de rue ne sont pas légitimes. Si elle accepte ce qui se passe au Mali, si elle accepte, si elle dit, elle pousse Ibeka vers la sortie avant la fin de son mandat, c'est extrêmement dangereux pour la stabilité de la sous-région. Deuxième chose, et je vois les attaques contre la CDAO, mais c'est de l'ingratitude absolue. Mais rappelez-vous, quand Moussa Ayasanogo avait renversé Moussa, Amadou Toumani Touré, il avait mené une transition n'est-ce pas mm-hmm. Et puis, il y avait le premier ministre Yokunda Traoré. Les militaires ont tenté de le déstabiliser. La CDAO est venue à la rescousse. C'est la CDAO qui a rappelé les militaires à l'ordre. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez Deuxième mm-hmm. chose, mais la guerre qui se passe au Mali, mais tous les pays de la sous-région, la CDAO sont en train d'accueillir des ressortissants maliens. Nous accueillons des ressortissants maliens. Est-ce que nous méritons qu'on s'en prenne de cette façon à nos dirigeants, tout simplement parce que des gens ont proposé des solutions de sortie de crise que je considère réalistes. La formation du gouvernement. Et Ibeka, pour montrer qu'il a sa bonne volonté, il, a, formé un gouvernement de six membres pour aller vers la formation du gouvernement national. Il ne reste que deux ans. Deux ans. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire On s'en prend à la CDAO. C'est aujourd'hui que la CDAO est, est, mauvaise, aujourd'hui. Mais les Maliens ont oublié. Mais ils ont oublié qu'il y a les troupes, il y a les troupes des pays de la CDAO qui sont au Mali, au sein de la pour protéger ce pays. Ils ont oublié tout ça là. Mais non, mais quand même, ne soyons pas ingrats. On peut faire de la lutte, mais il faut aussi regarder l'histoire. Est-ce que vous comprenez mhm. Aujourd'hui, la situation à laquelle on est, d'abord les 31 députés disent que ils ne démissionnent pas. Ensuite, le M5 qui rejette euh, les conclusions. Uh-huh. Donc ça veut dire qu'après la fête là, le prochain vendredi là qui va <laughs> venir là, pas celui-là. Ah, il y aura un mouvement. Il y aura, deux choses. même la démission du Premier ministre Boubou Sissé. oui, oui, <laughs> Donc, ça veut dire que le prochain vendredi, là, pas celui-là, celui qui va venir, il y aura deux choses. Soit Ibeka se cramponne au pouvoir et il y a une répression féroce des manifestants mhm. et l'armée prend le pouvoir. Et encore ça, encore la CDAO est contre ça. Mhm. Ou bien, au sein du M5, il y a des fissures pour que des gens viennent. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, parce qu'être ministre, c'est intéressant pour beaucoup de gens. Les, partis politiques en Afrique. Elle <laughs> voit c'est divisé. Hein, hum. Les partis politiques hum. sont créés pour que hum. les gens puissent arriver à avoir un certain train de vie, une certaine aisance sociale. C'est pas parce qu'on <coughs> dit hein, le peuple, on va, on va c'est faux. Est-ce que vous comprenez C'est des boutiques. Donc, il y aura, les gens, il faut souhaiter peut-être une fissure au niveau du M5 pour que cela puisse. Mais dans tous les cas, ce rejet des de la CDAO est vraiment source de péril pour le Mali. À partir du mm. moment où ils ont rejeté là, je vous assure que tout peut arriver. Et coïncidence, vous avez remarqué, les terroristes là, ils se sont mis, ils, sont, un peu tranquilles. Vous savez pourquoi Mais, mais l'imam dit c'est un salafiste. Mais il, connaît ces gens-là. Alors ils se disent que, ah, peut-être que on va mettre un peu la pédale douce, on va attendre ce mouvement-là peut peut-être permettre à l'imam du coup de truc, et ça va nous permettre ce qu'on souhaitait depuis longtemps là. parce que l'imam du coup souhaite là. <laughs> oui, bah, bien, vous comprenez. <laughs> Donc ils sont là tranquilles. Il n'y a pas d'attaque. Ils attendent de voir. Ils sont intelligents. C'est pour vous dire le danger qui guette le Mali. C'est que les pays de la Syrie ou les chefs d'État ont dit là, c'est vrai. Mhm. je vous assure que les terroristes sont là, ils suivent la situation. même, ici au Niger. Mais, si, le, Mali tombe, si, les terroristes là reviennent, mais on est tous foutus. Et nous mais on est tous foutus. C'est pourquoi il ne faut pas soutenir la chienlit. Il ne faut pas soutenir l'anarchie. Il ne faut pas soutenir les mouvements de rue qui déstabilisent des régimes. C'est extrêmement dangereux parce que ça risque de faire tache d'huile. Voilà. L'actualité, c'est aussi la libération de la journaliste blogueuse Samira Sabo, incarcérée à la prison civile de Niamey depuis le 10 juin 2020. Elle est accusée pour diffamation par euh, Sani Mohamed Issoufou, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Le juge a donc déclaré l'infraction non constituée. Même que faut-il comprendre par infraction non constituée que Les preuves ne sont pas encore euh, <laughs> sur la table pour pouvoir débattre de ça. Ça veut dire que c'est un non-lieu, si c'est ce que je vois. Donc, euh, ça veut dire que notre consort ne devrait même pas rester en prison depuis tout ce temps-là. Mais on l'a privé de, de, sa liberté mhm. pour, euh, à la fin, déclarer un non-lieu. C'est ça en fait. Et quand on regarde aussi, quand ces avocats ont demandé jusqu'à deux fois, jusqu'à deux reprises sa liberté provisoire, euh, qui a été également rejetée. Donc euh, je me dis que <laughs> cette affaire-là, cette affaire, bon, c'est la justice aussi qui a donné. <laughs> le dernier mot appartient à la justice, comme on le dit. Maintenant, la justice a dit que c'est un non-lieu. Bon, euh, maintenant, il faut tout simplement féliciter Samira d'être, euh, de recouvrer donc sa liberté. Et puis, euh, bon donc euh, dans l'exercice donc de ses fonctions en tant que blogueuse. Mhm. Et je suis sûre que peut-être c'est une leçon aussi. C'est une leçon, il faut il faut pas mettre ça de côté. C'est une leçon de la vie. Et ça va un peu changer aussi, par exemple, en termes de, en termes de traitement de l'information ça va un peu l'aider aussi à savoir comment est-ce qu'il faut également aller dans ce sens de traitement de l'information. Parce que vous savez, avec euh, cette situation de cybercriminalité, la loi sur la cybercriminalité, donc euh, c'est vraiment un risque, hein, un risque quand tu ne détiens pas aussi des preuves, euh, que tu, tu avances certaines choses, c'est aussi risquant. Et je pense que peut-être, bon, la loi a fait, le, juge ou la justice a fait son travail, ben, elle est libre, c'est déjà bon, tant mieux. Elle va quand même euh, fêter en famille, c'est <laughs> déjà bien. oui, c'est-à-dire qu'il faut se féliciter de la libération de, Sabira Sabo. Euh, c'est vrai que euh, l'honneur revient quand même à la justice nigérienne qui a montré son indépendance. Parce que, quoi qu'on dise, la justice nigérienne, avec tout le bruit qu'on peut, tout le bruit qu'on peut faire, c'est une justice indépendante. Parce que si elle n'était pas indépendante, c'est quand même le fils du président mhm. qui a porté plainte contre une journaliste. Et le juge a dit l'infraction est non constituée. Ça veut dire qu'à l'examen des faits, il n'y a aucune preuve qui dit que elle, a, diffamé un tel. Parce que d'abord, elle va certainement que dans son poste, il n'y a pas de nom. Et puis, moi j'ai lu l'autre poste, elle, dit, elle parle de le fils du patron et non le fils du patron. Euh, le patron, c'est qui et puis le fils du patron, c'est qui Donc vous voyez, c'est-à-dire que euh, peut-être que ces avocats ont trouvé cette faille-là et puis ils en ont profité, et les libre. Mais comme l'a dit Memouna, mhm. euh, à chaque chose, il y a le côté enseignement qu'il faut tirer. C'est-à-dire, euh, vous savez, le monde des blogueurs est un monde qui n'est pas très bien encadré. Moi, je me rappelle, il y avait un, certain moment, les blogueurs, on s'est rencontrés au niveau de la maison de la presse avec les journalistes. Il y avait des blogueurs qui ont dit Ah oui, oui, il faut qu'on nous fasse la carte de presse. On dit non, vous n'êtes pas des journalistes. Parce qu'un blogueur, c'est tout le monde peut être blogueur. Juste vous créez une page et puis vous donnez l'information. Et là où ce n'est pas encadré, c'est que les blogueurs, ça véhicule des informations parfois qui ne sont pas vérifiées. Donc cette affaire-là prouve qu'il faut extrêmement faire attention. Mais on a raison. Mhm. La loi sur la cybercriminalité est venue, n'est-ce pas, pour un peu permettre aux gens de ne pas diffamer les autres de façon gratuite. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est tellement facile de se faire insulter mhm. aujourd'hui. Je fais une publication sur Facebook, les gens se mettent à, m'insulter parce que tout d'autres applaudissent, d'autres vous insultent. Il faut faire attention. Même si vous insultez, il faut insulter en vous basant sur des choses. C'est-à-dire, dites qu'un tel a fait ceci, vous avez les... Voilà, mhm. que c'est vrai. Mais ne dites pas qu'un tel a fait quelque chose alors que c'est faux, vous n'avez aucune preuve. Et là, quand vous allez avoir des années judiciaires, vous allez commencer à pleurer, à dire que non, non, les libertés sont... Non, non, non, votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc, faisons notre métier, dénonçons, critiquons, mais en apportant des preuves. C'est-à-dire que si on dit que quelqu'un a mangé l'argent de tel projet pour être euh, terre à terre, n'est-ce pas <laughs> Donc, euh, si on dit que quelqu'un a de... Il faut qu'on soit sûr qu'on a les preuves, n'est-ce pas Donc, faisons attention, notre métier est noble parce qu'il euh, y a, il a des règles, mais ce n'est pas aussi euh, euh, des règles qui font, qui font en sorte que euh, des gens peuvent se croire libres de tout dire, d'attaquer qui ils veulent, mhm. sans avoir des preuves. Faisons extrêmement attention. Donc, pas d'accusation infondée, c'est la règle du métier. Faut pas qu'on s'abrite derrière oui, oui la, la, la, loi sur, la loi sur la dépénalisation. Non, non, non, non, non. non. Attendons-nous bien. Le métier a ses règles. Respectons les règles, n'est-ce pas Faisons le métier comme l'ont fait nos grands frères, nos aînés qui nous ont précédé Parce que à la date où le, la presse était née au Niger, mm. dans les années 90, quand on compare avec ce qui se passe aujourd'hui, il y, a une régression. il y a une régression. Enfin, il y a une régression. La qualité n'y est pas. Ça va dans tous les sens. C'est des accusations gratuites. C'est des, des titres vraiment. Vous vous rendez compte C'est ça. Et aussi avec l'avènement des réseaux sociaux. Ah là, c'est la catastrophe. avec les réseaux sociaux, <laughs> tout le monde est journaliste tout le monde balance des informations. Mhm. Et parfois des attaques contre des personnes. Mhm. Donc vraiment, euh, j'appelle vraiment tous nos confrères, tous nos citoyens, même tous ceux qui ont une page sur les réseaux sociaux, vraiment d'être assez responsables. Parce que la loi sur la cybercriminalité, là, elle s'adresse pas aux journalistes. Hein. Ah non, non, non, elle s'adresse pas. C'est pas aux journalistes uniquement. Faites attention. La loi sur la cybercriminalité, elle s'adresse à tous. Aux utilisateurs des réseaux sociaux, tout le monde. Hmm. Donc faisons attention. voilà. <laughs> ça ah je, vois, je pense que c'est une bonne chose euh, de savoir que Samira est libre aujourd'hui et nous la félicitons. Mais cette situation euh, repose, comme Gary a dit, le débat sur l'usage des réseaux sociaux. Qui est journaliste, qui ne l'est pas Est-ce que ce que vous avez eu à faire comme diffusion de données d'informations ou bien publication des écrits, c'est dans le cadre de votre fonction de journaliste Parce que c'est ça le débat. Mm-hmm. Parce que certains estiment que Samira a fait sa page, c'est sa page personnelle. C'est pas un lieu de publication, d'informations, de, de, d'articles ou bien c'est pas lié automatiquement. Donc en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses que les gens. Mais moi, je sais que je veux, je veux dire par rapport à cette situation, il faut que la notion de responsabilité, la vérification des faits, avoir les preuves à mhm. sa disposition et aussi vraiment euh, savoir et l'opportunité de la diffusion d'une information. Parce que c'est parfois, c'est pas vous. Vous pouvez diffuser, donner, émettre une, un avis peut-être. Mm-hmm. Mais c'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux. la manière dont ils vont partager mm-hmm. l'information. Parce que pour Samira aussi, c'est que moi, la première fois mm. quand j'ai vu le poste, je ne l'ai pas vu sur la page de Samira. Je l'ai vu découper et partager, même mm. pas, c'est en dehors de, euh, de, de, la plateforme de Facebook, mm. mais c'est sur WhatsApp, mm. dans les groupes WhatsApp que j'ai commencé à voir ça. Donc vous voyez un peu, c'est pour cela qu'il ne faut pas perdre de vue tout cela. La responsabilité, avoir vraiment les preuves à sa disposition et l'opportunité de la diffusion de l'information. Parce que cette loi-là, c'est vrai, moi, pour moi, c'est une loi liberticide. Mais là où parfois la loi, là, parce qu'on voit de la manière dont certains font l'usage des réseaux sociaux, qui se crée vraiment, qui s'en prend à l'intimité d'une oh personne, comme ça, gratuitement. il y a les lois même qui, sont là. Donc, moi, je le pense... à l'image, oui. une fois animé un forum. Là, voilà. Mhm. Effectivement, donc, mhm. vous voyez, tout ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, mhm. cela ramène sur la table à euh, ce que il faut que tous les acteurs de l'information sur le groupe. Mhm. Mhm. Parce qu'on ne doit pas appeler tout le monde journaliste. Ah, ça, c'est clair et net. Moi, je ne suis pas d'accord avec ah. me dit qu'un blogueur, c'est un, un blogueur, c'est pas un journaliste. Hein. Ah, je ne sais pas. C'est ça facile. Parce que quelle est l'éthique du blogueur <laughs> Est-ce qu'il y a une charte ah, qui conditionne aujourd'hui comment il doit, euh, euh, euh, il, il, doit animer son blog mhm. Donc, vous voyez un peu, c'est ça le problème. Tout le monde peut créer un blog. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on recentre un peu euh, le débat, que tous les acteurs comprennent vraiment qui sont réellement les acteurs de l'information. Mhm. Par exemple, il y a des choses qui se passent, on assimile ça. Mais pour le cas de Samira, tout le monde sait que Samira, c'est une, journaliste. Mhm. Mais quelqu'un peut sortir aujourd'hui, demain, pour dire, pour dire que non, lui, il est journaliste. Ah, pourtant, il n'est pas journaliste. Mhm. C'est ça aussi. Donc moi je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'approfondir la réflexion pour qu'on puisse vraiment savoir et de concert avec les autorités pour qu'on puisse mettre fin vraiment à la divulgation des fausses nouvelles. Parce que mhm. c'est ça aujourd'hui. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour calomnier les autres, pour véhiculer des fausses informations. Mais au Niger, malheureusement, c'est le cas. Alors qu'il faut que nous nous arrêtons ça. Il faut que nous mettons à profit ces réseaux sociaux comme les autres pays ont pu, le faire dans le cadre de leur développement. Quand vous prenez aujourd'hui les applications développées euh, au niveau du Rwanda, mm. dans notre pays, qui font leur fierté, qui apportent un petit plus dans la marche vers le développement de leur pays. C'est ça dont on a besoin. Et au Niger, il y en a ça. Mais vous allez parcourir, vous allez parcourir la plateforme pendant une heure de temps, deux heures de temps, vous n'allez voir peut-être qu'une seule personne qui a parlé d'une innovation. Ah, oui, Même, pas une, innovation apportée par une solution innovante apportée par un Nigérien. Ici au CIPMEN, il y en a des jeunes qui sont là. Mais est-ce que nous prenons la, le, temps de, vulgariser leurs produits pour que ça puisse être utile à toute la communauté. Non, <coughs> nous passons à autre chose. Moi, je pense qu'il faut que nous comprenions que notre vie n'est pas liée forcément à la politique. Parce que tout ça, c'est parce que la politique. Les gens pensent qu'il faut faire la politique. politique. Politique, Non. La politique nous fait des mm. fois. Il faut que nous soyons responsables dans nos actes. On oublie qu'on est pense que le Niger, on doit agir pour l'intérêt du Niger. Mhm. mais pas pour aller à Ramia contre-courant contre les intérêts du Niger. espérons euh, aussi que les autres acteurs qui sont en prison pour euh, la même affaire du ministère euh, de la Défense nationale pourront également trouver la liberté, comme Samira. Ah, oui, quand on regarde, il y a l'acteur, par exemple, les acteurs comme Moudi Moussa aussi il a... lui, surtout, notre, lui, c'est un confrère. lui, on a un devoir à son égard. Les autres, ils ont leur structure qui peut les défendre. nous, nous, nous, défendons notre confrère. Les autres, vraiment, <laughs> c'est. maudit surtout. Euh, espérons que le juge aussi sera clément mhm. et que notre confrère sera à liberté aussi. Pourquoi pas? Disport pour euh, terminer ce forum. La Fédération nigérienne de football a procédé à la répartition du Fonds spécial de la Fédération internationale de football COVID-19. C'est un montant de 1 million de euh, dollars. Monsieur Issa Amadougou, euh, qu'est-ce que vous en dites Non, moi je pense que vraiment, je, m'attendais à ce que vraiment qu'il ait ce geste parce que c'est pas facile pour le club. Vous savez, nous on connaît la réalité de nos clubs ici au Niger et surtout même en Afrique. ne mm. C'est pas des clubs qui génèrent des fonds, qui ont une organisation très poussée, qui peuvent générer des, euh, au niveau de la vente des tickets, la vente des gadgets. Non, ils n'ont pas tous ces, euh, ces atouts à leur mm-hmm. disposition. Moi, je pense que quand <clears throat> j'ai suivi le secrétaire général de, de, de, la, de, la, J'étais un peu rassuré. Mhm. Mais maintenant, la balle est dans le camp des dirigeants des clubs. S'il vous plaît, mhm. on vous a donné l'argent. Il faut l'utiliser à bon escient. Pardon, ces enfants pour qui aujourd'hui qui font ce vous n'arrivez pas à les euh, euh, payer parce que tout le monde sait que les conditions sont mhm. difficiles. Maintenant, vraiment gérer d'une manière rationnelle ces fonds pour que au moins vous pouvez tenir jusqu'à à la reprise, euh, au retour au, temps normal. Parce que si la FIFA est consciente mm-hmm. que nous, club, euh, les clubs, surtout notamment en Afrique, n'a pas les moyens, c'est pour cela, euh, moi-même, si j'estime que même les 1 million de dollars, c'est un peu, un peu peu, mais quand même, le geste, il faut le saluer puisqu'ils ont pensé ça peut combler. Mhm. J'ai vu la répartition par Super League, euh, club, euh, les catégories de, de, de, championnat, de compétition qu'il y a. Moi, je pense que ça, c'est bon. Mais maintenant, le challenge, c'est que c'est au niveau de ce club. Il faut que ce club soit, les, les dirigeants soient responsables, qu'ils gèrent ce fonds-là vraiment d'une manière équitable et que que ça ne puisse pas être l'objet aussi d'une descente aux enfers de ces équipes. <laughs> oui, en, fait, euh, <coughs> vraiment, ce, geste de la FIFA est un mm-hmm. geste très important qui va donner vraiment un second souffle au club. Mm-hmm. mais aussi à l'association des journalistes mm-hmm. sportifs, parce qu'il faut le dire, les ISA aussi ont eu leur part. <laughs> La FIFA, ah oui, la FIFA a pensé, c'est très bien. Mais moi, ça me ramène à la question de soutien aux entreprises que l'État avait décidé pour le euh, euh, lutter ah, contre le Covid-19. Mais les entreprises de presse, à ce que je sache, n'ont pas reçu d'appui. Et ça, c'est un problème. Je ne sais pas, hein. peut-être que je ne sais pas. Mais les entreprises de presse. il y a la maison de la presse donc, euh, qui a rencontré le Premier ministre. Mais je ne sais pas s'ils ont. Non, non, non, il n'y a rien. Non, mais, ah, attendez. Il n'y avait même pas eu d'annonce comme les autres pays. Mm. Mais les entreprises de presse Surtout les télévisions au Niger sont en train mhm. de souffrir, sont en train de s'écouler. mais les gens ne se rendent pas compte. La presse a beaucoup contribué le temps euh, de la pandémie. 150 mhm. milliards pour appuyer les entreprises. Mais, et les médias, qu'est-ce qu'on fait On va attendre encore le fond d'aide, le prochain fonds d'aide, c'est ça le truc Non On a dit soutien dans le cadre de la lutte contre le Covid. Mhm. De grâce, l'État doit faire un geste pour les médias. Il faut le faire vous avez fait pour les entreprises, on a compris qu'on n'est pas dedans. On a des entreprises, mais on a compris qu'on ne nous a pas mis dedans. Mais alors, maintenant, pensez à nous. On en a besoin de cet appui-là. Parce que je vous dis, les entreprises de presse, les télévisions, les radios sont en train de souffrir. Les radios sont en train de s'écrouler. Les gens ne se rendent pas compte. Il faut dire, ils sont en train de licencier. Ils sont en train de licencier à tour de bras pour cause de problèmes financiers. Donc, j'appelle l'État au secours. Il faut aider ces entreprises de presse à survivre. Donc, ce soutien pour la lutte, dans le cadre de la lutte contre le Covid, là, donnez-les aux médias aussi. Ils attendent. Voilà, c'est juste un appel que je voulais lancer. <laughs> Nous sommes à la fin de ce forum de la presse euh, du studio Kalangou. Nous étions en, nous étions en compagnie de Memouna journaliste euh, freelance euh, Issa Madougou, journaliste freelance, et Garey Amadou, journaliste à la Nation. La présentation est assurée par Fatih Zakari. La régisson Issa Lawali à la réalisation Mustapha Ayouba. Le samedi, vous suivrez le forum en Hausa sur la promotion du compost et le dimanche, le forum en germain sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs à Tchouta.